dénkee réew mi jëlagul temps matagul de mois euh, un mois ci lay yem képp wala sa un mois et quelques jours mais gis nañ ni que boobaak léegi lu ci bëri ci ay acte euh, ñu ngi koy posé euh, jëm rek ci maanaam xool ana naka lañuy def ba Sénégal bi nga xamante ni bëggoon nañu ko ñu daal di koy am. voilà fatiment président dafa mel ni moom àgg na fi nga xam ne nag fa la war a jëlee kaddu. ci pupitre bi léegi ñu bàyyi leen tuuti. mu mën a wax ak askan bi. ndax xam naa ni programme bi dafa xat. en attendant pro programme de Monsieur le Président, merci beaucoup. Euh, la FIARA est un rendez-vous où se retrouvent les agriculteurs et les éleveurs de ce pays-là après avoir visité les différents stands et les différentes chaînes de valeur. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu si l'on sait que vous voulez faire de l'agriculture un moteur du développement Merci beaucoup. Je dois d'abord euh, commencer par féliciter les organisateurs de cette foire. Féliciter aussi les exposants qui sont venus du Sénégal, mais aussi du monde entier. Féliciter le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage pour son implication et sa franche discussion et collaboration avec les acteurs qui sont euh, à l'origine de ce formidable rendez-vous. Je suis régulièrement venu ici chaque année que la Fiara ou le salon est organisé, je suis venu visiter. Et j'ai passé beaucoup plus de temps que je n'en ai passé aujourd'hui, parce que quand j'entre ici, c'est toute une passion que je vois, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'élevage ou qu'il s'agisse de la transformation des produits de toute nature. J'en suis toujours ressorti triste parce que je voyais le potentiel qu'il fallait exploiter pour prendre en charge les défis qui s'imposent à nous, en Afrique de façon générale, mais surtout ici au Sénégal avec le potentiel qu'on a. Mais à côté de ce potentiel-là, nous avons des problèmes qu'on n'a pas encore réglés. Ce rendez-vous de la FIARA et du Salon sont donc importants comme plateforme pour les acteurs et les professionnels de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi de la transformation des produits issus de l'agriculture et de l'élevage. Et pour cette année, saluer la première édition du Ciara comme un événement marquant. Parce que j'ai vu qu'à chaque année qu'on est venu, les organisateurs ont cherché à innover. Et même au niveau des stands, vous voyez qu'il y a de façon permanente une innovation qu'il faut, à mon avis, saluer. Cela, vous le notez, entre en droite ligne avec notre vision et nos objectifs. Nous avons dit que nous voulons que notre mandat soit marqué par l'accession réelle du Sénégal à la souveraineté. Pas seulement à la souveraineté internationale, mais à la souveraineté alimentaire, à la souveraineté monétaire, à la souveraineté pharmaceutique, à la souveraineté numérique, j'en passe. Donc, des rendez-vous comme ça qui permettent aux acteurs qui ont les solutions à apporter et qui demandent un accompagnement de l'État, c'est un rendez-vous important dans le sens où ça permet aux autorités, notamment les ministres, mais aussi le président de la République que je suis, de voir l'horizon des possibles et ce qui est en train d'être réalisé de façon effective. Parce que les gens viennent exposer des résultats de travaux ou de réalisations qui sont qui sont déjà faites sur le terrain. Faites sur le terrain, faites sur le terrain. Nous avons cette année déjà commencé à changer les choses dans l'accompagnement des acteurs. Je pense que le ministre, en compagnie du Premier ministre, ont tenu un séminaire, un conseil interministériel sur la campagne agricole. Et pour cette année et pour la première fois, l'engrais a été a fait l'objet d'un appel d'offres, grâce auquel le prix de l'engrais va baisser cette année comparativement aux trois dernières années. Mais mieux, il y aura une plus grande disponibilité de l'engrais. Encore mieux, nous avons pour cette année impliqué les autorités militaires avec le ministère des Forces armées qui travaille en étroite collaboration avec son collègue ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage pour que les subventions et l'accompagnement de façon générale que l'État fait et pour lequel l'État injecte beaucoup d'argent aillent effectivement aux vrais bénéficiaires, à savoir les agriculteurs, les éleveurs. Et nous allons non seulement renforcer ces investissements-là, mais nous allons encore faire davantage dans la gouvernance de tout le système pour avoir les résultats que nous escomptons et sans lesquels il n'y a pas de souveraineté. Tant qu'on ne réussira pas à cultiver pour nous-mêmes ce que nous consommons et qu'on dépendra des aléas de la conjoncture internationale ou même des caprices d'autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter correctement. Et un pays qui va être souverain ne peut pas reposer comme ça et se livrer euh, aux aléas de, de, de, de, la communauté internationale ou des de, vicissitudes des relations internationales. Vous l'avez remarqué, dès mon arrivée, non seulement j'ai mis en place le gouvernement avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, mais j'ai créé un poste de secrétaire d'État au développement des coopératives et à l'encadrement paysan. Pourquoi j'ai fait ça je l'ai fait parce que je veux que il y ait une plus grande proximité entre la tutelle administrative et le terrain. Et ce que j'attends du secrétaire au développement des coopératives et à l'encadrement paysan, ce n'est pas qu'il soit régulièrement à Dakar et dans les bureaux, mais c'est pour qu'il aille sur le terrain. Mais je veux souligner un fait qui n'est pas anodin, qui rend compte de l'état d'esprit dans lequel nous gouvernons. Monsieur Maboué la première fois que je lui ai serré la main, c'était en conseil des ministres. Je l'avais déjà nommé ministre. Je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Mais ceux qui l'ont rencontré, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont cherché à savoir qui c'est, y compris ses collaborateurs les plus directs, savent qu'on l'a pris pour ses compétences et non pour une appartenance politique parce qu'il ne fait pas de la politique, on ne lui demande pas de faire de la politique. Donc l'état d'esprit qui peut nous donner ces résultats-là, il est là. Et je l'ai instruit de procéder dans les meilleurs délais, sans précipitation, avec la concertation qu'il faut avec tous les acteurs. Parce qu'il faut écouter tous les acteurs. Il ne faut pas seulement écouter les services. Tout à l'heure, les responsables de l'organisation l'ont dit, ils l'ont souligné. Il est important de ne pas écouter seulement les services. Parce que les services, j'y étais. Quand vous arrivez et quand, vous, quand finit de vous parler, vous avez l'impression que tout marche. Mais en tout ne marche pas parce que ce qui relève de leurs responsabilités, ils ne vous le montreront pas. Donc il faut écouter tous les acteurs, prendre le temps qu'il faut et procéder dans les meilleurs délais à la révision de la loi agro pastorale Parce qu'il est important de renforcer la gouvernance et le rôle des organisations professionnelles, particulièrement du monde rural. Et le monde rural a été longtemps oublié mais la véritable révolution et le changement systémique qu'il faut, c'est le développement à partir de la base. C'est pour ça d'ailleurs que notre politique repose sur les pôles territoriaux de développement. Et je salue vos initiatives quand vous voulez implanter euh, dans chaque euh, région une, euh, une coopérative et aller dans la... des coopératives plutôt, aller au niveau le plus bas pour les décentraliser et impliquer les populations parce que le développement ne se fait pas à partir du sommet pour descendre à la base. Il se fait à la base pour toucher le maximum de populations, les impacter et remonter vers, vers le sommet, à savoir vers euh, le monde, euh, euh, partir du monde rural pour aller vers le monde urbain. À défaut, ce qu'on va remarquer, c'est ce qu'on a tout le temps vu, c'est que ça va paupériser davantage le monde rural si on les oublie. Ils viendront par l'exode urbain, rural vers, vers, les capitales. Il y aura des problèmes d'urbanisme, d'habitat et d'assainissement et finalement un problème de logement qui va déboucher sur de l'insécurité. Donc on reste sur ces actions concrètes-là et je pense qu'il est important, euh, au-delà de la, révision de la loi euh, agro pastoral en rapport avec les programmes qui ont été faits. Il faut les évaluer, non pas dans le cadre d'un audit de gouvernance, c'est nécessaire, mais voir est-ce qu'ils collent à nos objectifs. Est-ce que ces programmes évalués doivent être réaménagés, réévalués, réorientés et renforcés Et sous ce rapport-là, moi je vous fais entièrement confiance. J'ai vu votre dynamisme, votre implication et je suis persuadé que vous aurez les résultats qu'il faut avec les acteurs parce que nous allons faire ce qu'il faut pour faire de, l'agriculture le fer de lance de notre économie. C'est ça, en fait, notre engagement, c'est ça notre promesse. En le liant avec de la transformation, je vois que les gens font des résultats quand même très appréciables. il faut renforcer cette chaîne de valeur-là pour faire du Sénégal ce que nous voulons. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Et je reviendrai autant que faire se peut parce que j'adore ces moments, j'adore ces endroits-là et vous le savez que ça me passionne beaucoup, mais j'ai toujours eu cette conviction que la solution à l'essentiel de nos problèmes se trouve dans ce qu'on a vu dans ces stands-là. Merci beaucoup. Monsieur le Président, ci li jóge ci mbay meek càmm gi ginnaaw bi nga visité stand yi ci yan levier nga bëgg a sukkandiku ngir doxal politique bi nga bi nga xam ne moom nga bëgg a Sénégal moomee boppam. waaw damay njëkk di njëkkee di sant sant yàlla d'abord ci nu ma mayaatee ma ñëw ba fiara bi ndax euh, daaw amoon naa gàllankoor yu taxoon mënuma woon ñëw waaye at guddee euh, dama doon ñëw ci fiara bi te du ci fiara bi kese parce que fii am na yeneen.

département bi nga xamantene département bu am solo la ma ngi doon wax sank ne première fois ma koy gis fekk ne nek na ministre ba paré premier conseil des ministres la ko nuyu nek xana yo yaay monsieur Diagne mu ne ma wa té mosuma déggante ak mom téléphone à part après après sax guñu téléphone dañu daje rek conseil des ministres mais lima am ci mom moy consultation à travers premier ministre ak CV ak recoupé ay témoignages yu bare bare ak consultation bi nga xamante ne premier ministre def na ko ci te xam naa ne politikul te santuñu ko mu politique kon lu ñuy xaar ci moom mooy Sénégal dafa am problème boo xamante ne bu ñu ko réglé réglé lu bari ci suñu problème waaye bu ñu ko réglé wul du ñu mën a réglé benn problème mooy xiif mën a lekk ci loo xamante ne yow da ngay béy di dunde di dundee loo béy waaye bu ñu weeree ne rek bu ñu bëggee lekk loo xamante ne balaa ngay mën a def dara di nga lekk ba pare weer ko ci fokk ñu dem ci bitim réew jënd ji te waa bitim réew mën nañu comme nañ ko defee daaw jékki-jékki ne jaayuñu kon mënuñoo moom suñu bopp ci moomeel suñu bopp bi nga xamante ne moom la ñuy ut wa rawatina ci wàllum mën a mën a xiif lekk konti sa bopp mu wóor ma ne nag que ci anam yii ministre bi di tra di liggéeyee te mu nekk koo xamante ne mbéy daf ko neexoon ba mu jël alalu boppam dugal ko ci ak ni nga xamante ne man yàgg naa fi ñëw génn ci foire bi ne pourtant suñu solution solution problème yëpp mu ngi fi xanaa nguur moo ko desee fulaal yaakaar naa ne sama politique boole ko dénk ko koo xamante ne mën na liggéey bi mu dem di waxtaan ak ñoo xamante ne solution mu ngi ci seen loxo man am naa yaakaar gu mag ne loolu bu ñu ko boolee résultat yi ñuy séentu dinañ ko am te dinañ ko am ci mbéy mi. dañ ko am ci transformation tamit parce que boo visité stand yi nga xam ne ay jàmbaar dëgg ñoo fi nekk te lu ñuy jot a def rek wane na ni ñii ku leen ku leen gunge ci lu ñu soxla dinañ la jox yow li ngay xaar ci ñëw kon ci tànk yooyu lañu taxaw ren gii bu ngeen xoolee am na ñett mbir yoo xamante ne lu jara taxaw seetlu la mooy li ma njëkk a wax dem nommé koo xamante ne nommé woo ko parce que da doon politique kese mais dañ ko nommé parce que sax du politique waaye dafa nekk loo xamante ne daf ko xam. bu koy def mu doon loo xamante ne passion la d'abord au-delà du fait que dafa bëgg jëriñ réew mi deuxième bi ci topp mooy jël toftal ko benn secrétaire d'État ne ko lépp luy encadrer paysans yi coopérative yi ak développer coopérative yi moom la ñu la dénk mu ñëw di feelu si ministre bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu mbay mi muy changement institutionnel important bi ci tegu mooy ñu ne gannaaw loolu ren la ñuy door def suñu première campagne agricole donte bu ñu toogee yàggul ñu ñu def ko parce que en moins de deux mois lañ ko def indi nañ innovation boo xamante ne tax na engrais ren lu mu doon jar daaw wala ñetti at yi weesu ren lay gën a tuuti ci njëg te len ren lay gën a bëri ci li nga xamante ne moom lañ nar a teg sur le marché jox ko béykat yi ci wàllum engrais waaye ñu ne nag muy engrais gi muy ji yi dañ ciy boole arme bi ren ak gendarmerie. pour que mu bañ a am ñoo xamante ne dañ ko dañ ko téye ci yoon wi ba mu tax du egg ci baykat yi ñu ne lu ñuy dimbalee baykat gi dafa war a dem ci baykat bi béy ci tool wi waaye warul am kenn koo xamante ne dafa nekk intermédiaire ci digg bi téye ko ba ba du egg ci béykat parce que assi ah, boo ko defee résultat bi ngay xaar ci terrain bi dafa am parce que li nga doon war a def ci terrain pour am résultat boobu eggu fa kon changement yi teg ci man sant ko ne ko demal waxtaan ak acteurs yëpp nga jël temps bi war nga bañ a déglu rek say service waaye nga déglu ñu nekk sur le terrain am jafe-jafe nga laaj leen naka la ñuy saafara seen jafe-jafe ñu wax la seen pexe parce que ku nekk ci tool am jafe ne lii bu dañoon sama tool du ma am lu may jooy kooku moo gën a wóor a déglu ku koo xamante ne dafa toog ne bind naa lii laa yaakaar wala lii laa liir wala bu ñu demee ci tël dëkk looloo fa am parce que terrain bi moo gën a wóor loo xamante ne egg jógewul ci terrain bi ñu ne leen nag nañu réformer la loi sylvo agro agropastorale mais ñu def ko dans une approche de participatif maanaam ñëpp wax ci mu tenir ay réunion dem seeti ji nit ñi te xam naa ne ku ku nara wàcc ci terrain bi la parce que commencé na ko te du ko bàyyi waaye ki ma ko toftal tamit loolu laa ko sant xam naa dañ ci taxaw bu ñu dawalee at toogaat tegaat suñu budget defaat lu ñu am yéene def ci mbéy mi bu ñu toogee évaluer nañ xam ndax ñun ñu ngi ci yoon wi wala nekku ci yoon wi bu ñu nekkee ci yoon wi ñu gën ko baral bu ñu nekkul ci yoon wi ñu gën a joyanti pour tegu ci yoon wi te baral tànk yi parce que sénégalais yi loolu lañuy ñuy xaar ci ñun te yàkkamti nañ trop parce que jafe-jafe yi tar na kon maa ngi leen di sant di bu baax a baax di leen gërëm di leen wax mbégte gi ma amoon nag ci ñëw fii te am naa yaakaar ne bu ma ñëwaatee déwén incha allah dinañ am ay jéego yoo xamante ne def na ko def nañ ko ci euh, accompagnement gouvernement bi ak euh, nguuru Sénégal yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah